Euh, Sénégal euh, a nañ indépendance mun nañu wax ne fu mu toll nii euh, buñ lu ngoon ko méngalee ak nit Sénégal personne bu mature mais après ces 63 années voilà nga xam ne colon yi bàyyi ak suñu que retenir du Sénégal en termes de développement en termes économiques surtout en termes de démocratie bon moi, je, dirais quand même qu'il y a de, bonnes choses. Mm. Il y a beaucoup de, bonnes choses. Maintenant, il faut que nous sachions sur une bop, euh, on a pris l'indépendance au début, une colonisation, mais il y avait le néocolonialisme, une autre forme de. Euh, donc, on a pris l'indépendance sans avoir pris euh, mm-hmm. véritablement une liberté et nous continuons ci lolo mhm. et aujourd'hui la euh, population bi cela cru considérablement mhm. d'à peu près 2 3 millions en 1960 nous sommes aujourd'hui à 19 millions en 2023 pratiquement donc la population a été multipliée par 6 mhm. par 6 donc c'est 600 de si je ne me trompe euh, de, croissance. Ça, pose ça peut poser un véritable problème, ce fait qu'en l'économie n'a pas cru de la même manière. Donc si on part par exemple du budget de 1960 à mm-hmm. en 1999, quand euh, le de 5, quittait le pouvoir, on était autour de 570 mm-hmm. milliards en 1999, votés pour l'année 2000. Aujourd'hui, nous sommes à 6000 milliards. Donc c'est multiplié par 10. Donc il y a quand même une évolution que l'on peut constater sur euh, l'évolution du PIB, l'évolution du budget, ou des changements. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Maintenant, euh, quand on va dans l'analyse un peu plus profonde, euh, pour moi, il y pour deux choses et que je ne peux pas comprendre ben bi que ben, bi que la souveraineté monétaire moi, assurer la souveraineté d'un pays la souveraineté monétaire et nous n'avons pas de souveraineté monétaire mm-hmm. C'est vrai que nous sommes dans un ensemble, mais la France, on n'a pas de souveraineté monétaire. La deuxième chose, quand on a de l'or, comment peut-on être pauvre quand on a de l'or alors que l'or est une réserve de change mm-hmm. Donc, moi, c'est deux choses qui, en économie, nous pose un problème. Donc je me demande comment nous, Africains, de l'Afrique de l'Ouest, là, lui euh, de moi peut-on prétendre à une économie extrêmement forte quand l'un des instruments n'est pas à notre portée. Mm-hmm. madame euh, à def am nous à maintenir dañu n'y fay moi que vous ne rien que lui moi entre le Ghana euh, sans bon autant pour moi le Ghana c'est la CDAO mais bon entre le Burkina nga le Mali et le Sénégal le Burkina je pense le Mali autant pour moi a produit en 2022 définitivement 60 kilos d'or 60 kilos d'or c'est 60 tonnes d'or autant pour moi c'est c'est estimé en milliards en milliers de milliards de francs CFA donc réew yu mel comme le Sénégal avec le Burkina vous la Guinée euh, Guinée qui n'est pas

yaa koy placé donc ñu ne ñu décision ordre que ni euh, ñi di ko jël muy dem yeneen Suisse ñoom ñuy gën a diis ñun ñuy gën a kii mhm. bon moi voilà les deux les deux ce sont les deux choses yoo xamante ne la souveraineté monétaire et l'or qui pour moi est une réserve de change assez considérable pour être comme ça euh, vendu comme ça. Donc vous rejoignez euh... Il y a un comme Ousmane Sonko qui dit que nous avons wax fête d'indépendance mais on parle de fête nationale parce que il euh, y a beaucoup de choses à faire par rapport à cette indépendance. oui mais maintenant il faut être aussi euh, c'est facile de dire des choses quand on n'est pas dans dans dans, dans l'État euh, boo. dès que c'est État tu t'en rends compte qu'il y lo une maintenir de flotter. donc mm. cette ce mouvement là Sénégal ko porter c'est une illusion de croire que Sénégal ne Ken, porter combat la preuve c'est que le Mali a euh, essayé, on a vu tout de suite comment c'est lui est tombé dessus. Il y a beaucoup de dégâts. Hein. Il y a beaucoup de dégâts mais est-ce qu'il y a une solidarité vis-à-vis du Mali. Mm. Il y a le Burkina Faso, est-ce qu'il y a une solidarité Ça veut dire que même dans nos comportements, nous, même dans nos discours à nous, et même dans la diffusion de l'information, mais on n'en parle quasiment pas, alors que c'est quand même deux pays de l'UMOA. Alors que Bordemé Europe, euh, l'Union Européenne, mais tous les problèmes de chaque pays composant l'Union Européenne, mais mais la Grèce, quand, quand ils ont eu leurs problèmes, la Grèce, quasiment en faillite, mais c'est tout le problème de toute l'Union Européenne c'était le problème tous les jours Madame quel que soit le pays de l'Union européenne de ne quand il a quand euh, le Royaume-Uni a été question bon voilà euh, pour le, Brexit mhm. mais tous les jours dans les journaux parce que il y a un impact économique il y a un impact social mhm. les impacts sont quand même considérables considérable. Nous ici, mais bon, c'est comme s'il n'y avait rien, alors que nous sommes quand même liés. Nous avons quand même une monnaie commune. Mhm. Alors, donc, quand il y a une instabilité, par exemple, au Burkina Faso ou au Mali, alors que nous avons la même, la même monnaie, mhm. il y a une instabilité, quelque chose, la monnaie flotte un peu. C'est vrai. N'est-ce pas Et donc, euh, pour les à l'intérieur de même suñu monnaie nga on trouve au Nigeria le CFA qui est en train de quitter notre notre zone pour aller alimenter des marchés nigérians parce que tout simplement une monnaie lu muy fluctuer lu donc ñoom ñu ñuy de ci CFA donc pour te dire c'est une force monnaie

pour le réserve mais du comme la France pendant des décennies sous suñu CFA nous mhm. du budget c'est donc voilà donc pour moi ça c'est tout maintenant vous faire analyse euh, si Wallor a par exemple euh, entre Senghor qui a construit une nation euh, bon et qui est parti dem économiquement c'était très difficile parce que il avait ñaari problème à Monde, Senghor trois problèmes là à monde la sécheresse de mhm. deuxième bi c'est la le le choc pétrolier 73 et 1979 mhm. donc sécheresse de indi l'exode rural les chocs pétroliers de 1973 1979 Benin, bi la détérioration des termes de l'échange. parce que le transfert des technologies mhm. euh, les gens ont toujours refusé de transférer à l'Afrique leur technologie parce que bla euh, Abdoulaye Wade qui euh, Abdou Diouf Abdou Diouf il s'est retrouvé dans le même problème moom le après parce que euh, euh, dévaluation ajustement structurel le budget euh, consolidé d'investissement en a pris un sacré coup euh, Abdou Diouf obligé de libéraliser il a été le socialiste le plus libéral mm. du coup mais il a construit du point de vue euh, démocratique, Abdou Diouf, a mis en place quand même le multipartisme accompagné et a respecté leur xamante Abdoulaye Wade est venu indi mm. Abdoulaye Wade Nyo, décomplexer les Sénégalais voilà euh, voilà et avec euh, avec une communication beaucoup plus agressive Vous tourner un peu les bon puisque vous de la Banque mondiale et FMI vous me fatiguez, je vais me retourner vers la Chine mm. donc il casse la relation diplomatique avec euh, pas diplomatique, mais la relation d'affaires avec Taïwan, et il se tourne vers la Chine en 2005, et du coup c'est un autre paradigme qui arrive, euh, plus les pays arabes qui sont moins regardants, la Chine moins regardante sur les emprunts, les prêts actuels. Donc Abdoulaye Wad du coup, se libère un peu et fait un... Et puis, il s'en va, il décomplexe les Sénégalais, mais quand même si gestion B, il y a des choses à dire. On peut dire beaucoup de choses, hein. on peut ne pas être d'accord ou d'accord, mais bon, il faut quand même des évaluations. Cette et puis aussi euh, d'accéder aussi aux fonds publics. Euh, mu nekk corruption bi nga xam ne mun sous l'ère Abdoulaye Wade ba traverser comme tony Macky si vous ko concentrez, bu parlez aussi euh, Charles. parce qu'on n'a jamais eu autant d'argent ça veut dire qu'avec Abdoulaye ah Wade dañuy a de 570 milliards. À paf, on va à 1200 milliards, de, et puis après 1700, 1800, 2000 milliards, 3000 milliards. On, est dans ces zones 2000 et quelques milliards avec Abdoulaye Wade. Mm. Donc, Khalis, Moussoul, bëree non, si si si sénégalais si état parce que il y a une amélioration de de la du euh, accroissement par exemple euh, si par exemple l'assiette fiscale nous gagnons imposer et plus de taxes c'est pas mal de choses et puis Macky Sall arrive et de ça va de 3 000 milliards 2 000 et quelques milliards à 6 000 milliards donc avec pas mal de choses qui sont intéressantes. moins que quand il arrive en 2012, le prix du pétrole qui va, le baril du pétrole qui va faire tomber Abdoulaye Wade, tout le monde se rappelle les coupures d'électricité, mhm. ah, hein, les, les, ah, parce que c'était très compliqué. Entre 2008, la, euh, la crise alimentaire mondiale, après la crise euh, financière, la crise monétaire, le lieu, après euh, le baril du pétrole qui va jusqu'à 130, 140 dollars. Mhm. Et Macky Sall arrive au pouvoir comme par enchantement. Mouham Ben chute vertigineuse du baril de pétrole de, de 140 à 18 dollars le baril. Mhm. Et puis après, le baril s'est stabilisé, Yegbe 70, euh, voilà. Et donc Maki a profité de ça avant que le dollar n'implose aussi. Mm. Donc Macky a eu quand même des situations favorables. Mm-hmm. donc euh, pour les factures, la facture énergétique le dollar dit flottait, c'était bien donc il a pu faire beaucoup de choses c'est ce qui explique euh, c'est ce qui explique beaucoup de choses mm. jusqu'à ce que le, Covid arrive le Covid arrive et donc euh, la croissance prend un coup voilà et tout ça après il y a la guerre mais quand on regarde mm-hmm. sur ce qui a été fait euh, ça se voit, ça se... qui touché. c'est vrai avec le président Maki, honnêtement on voit ce qu'il ce On va parler du président.